man maa ngi tudd Alassane Gueye dekk Anen nek conseiller municipal de la commune de noto jobas yor commission transport. wa li waral suñu dajé tay moy section noto jobas ñun ñep dañu daje waxtaan xol ni ñun dañu wara am candidature 2024 ndax liko tax modi euh AFP dañi won ñun dinañ am candidature 2024 parce que dañuy and coalition bi fii ba 2024 bu ñu ba 2024 ñu am candidature léegi nag bi ñu ba 2024 ñu ni ñun Aline Sarr lañu bëgg a pour mu nekk sunu candidat 2024 preuve la kelli tax mu bëgg Aline Sarr nekk sunu candidature 2024 mu nekk nit koo xam ni nit ku diñ la nit ku am fulla nit ku am fayda nit ku mën a liggéey nit ku am compétence nit ku xam li def

tourisme e transport aérien mu liggéey fa liggéey bu mucc ayib ba ñëpp sénégalais yëpp xam ni kii liggéeykat la mu jóge foofu ñu yóbbu ko audition ñi nga xam ne ñoo def audit bi si corona bi ñi ñu joxoon xaalis corona bi moom ñu audit ko setal ko wécc kon nit ku mel noonu nga xam ne nii ku dynamique nit koo xam ne nii ku respecté doomu aadama nit koo xam ne doo gis si caaxaan doo ko gis si dara kooku kon buñ ko gisee fii si noto Diobass mu nekk maire noto Diobass kooku ñun waa Notto war na noo porter candidature am parce que sénégalais yi nga xam Sénégal département de ne wax ñun un Noto mm-hmm. parce que nous avons xam pendant 12 ans ñu ngi mandat troisième mandat li tax avons falaka falaat Nous xam kan la. ñu bëgg sénégalais yi Moscou. Nous ñu xam ni candidat bi candidat yi Sarr. Mm-hmm. ñu parce que ah, Moustapha Niass. en 2014 en 2014 un, mm-hmm. ñun ñëpp pas mouvement ba deux mille vingt quatre. si ñaari mandaay yi bu demee ba deux mille vingt quatre ma AFP day am candidature AFP jëmul ñu xool ni AFP naratu am candidature te ñun suñu jëmi bopp ñu xam ne euh, Alioune Sarr moom am na profilu nekk candidature AFP am na profilu nek candidat deux mille vingt quatre ñun nag ñun wa commune Noto ñu taxaw ni Alioune Sarr la ñuy jox suñu candidature deux mille vingt quatre ak sans problème. Hmm. kuréel boobu kuréel bi nga tudd ASP. kuréel boobu section Noto bépp. waxtaan nañ si te kuréel boobu des koy yaatal génne ko Sénégal gépp ba taxawal ko incha allah amuñu yaakaar boobu amuñu yaakaar boobu parce que euh, doom aadama yi nga xam ne moom seen bopp droit may na leen yoon may na leen ñun ñu posé suñu candidature ni kii leen bëgg mu nekk suñu candidature 2024 waaw Macky Sall dañuy woon ñaari manda lay am ñaari manda yi jeex na waaw jeexal na wàccoon na ak moom ñun dañuy dem 2024 am suñu candidature je me nomme Abdou Karim Anne Je suis conseiller municipal, président de la commission éducation et formation de la commune de Noto Diabas. Je suis également membre de l'AFP. Je suis le porte-parole. Je suis aujourd'hui le porte-parole de notre rencontre, dont je vais vous lire la teneur. Assemblée générale de l'Alliance des forces du progrès, section Noto Le dimanche 5 mars 2023 c'est tenu à Anen, dans la commune de noto L'Assemblée générale des militants et sympathisants de l'Alliance des forces du progrès de la commune, venue des différents villages de la commune de noto -Diobas. Lors du jour de la rencontre portée sur un point unique, projet de candidature de l'AFP à la présidentielle de 2024. Après un large tour d'horizon de l'actualité et du débat interne à l'AFP sur la candidature en 2024. Les camarades et sympathisants de la commune, appréciant le rôle déterminant joué par l'AFP dans le processus des, assises nationales sous la direction du président Amadou Mortar Mbou, soulignant l'importance des réformes constitutionnelles issues des assises, notamment en ce qui concerne la limitation des mandats présidentiels à deux. Vu la déclaration de M. Moustapha Nias, secrétaire général de l'AFP, en date du 10 mars 2014, statuant sur le soutien à la candidature du président Macky Sall pour un second et dernier mandat par laquelle l'AFP annonçait sa candidature en 2024 par la voix de son secrétaire général. Réaffirmant l'ambition ferme de l'AFP de conquérir et d'exercer le pouvoir, prenant en compte les attentes légitimes des militants et sympathisants au Sénégal et dans la diaspora pour une candidature de l'AFP en 2024. L'AFP, section Noto se prononce sans ambiguïté en faveur de la candidature de l'Alliance des forces du progrès à l'élection présidentielle de 2024. Par conséquent, l'Alliance des forces de progrès de la section de Noto Djobas porte son choix sur le ministre Alioun Sar, qui incarne les valeurs de Djom, de loyauté, d'engor républicaine, de probité morale, en plus de sa compétence, dont il a fait preuve pendant les neuf années passées avec succès dans le gouvernement du président Macky Sall. La section AFP de Noto Jobas, consciente que le pays a aujourd'hui besoin d'un leader jeune qui répond aux aspirations du peuple, et pris de paix, de justice et de bien-être, considère que M. Alunsar remplit parfaitement tous les critères pour porter un projet de société après apte à répondre aux aspirations des forces de progrès à gauche et au niveau de la société civile et de la majeure partie de nos concitoyens et d'autres formations politiques. Ce choix bien réfléchi, porté sur la personne du ministre Alun Sarr, se justifie par son, par son parcours d'homme d'État, doublé de travailleurs infatigables, sa gestion transparente de la COVID-19 et son bilan à la tête de la mairie sont une belle illustration. Maire de Noto depuis 2009, Alumsar a su transformer la commune avec des réalisations palpables et satisfaisantes. Électrification de plus de 30 villages, construction de plusieurs pistes de production, formation et financement aux femmes, et aux jeunes, création de neuf collèges et deux lycées, implantation de plusieurs projets agricoles tels que Anida, Barvafort, Lyons Agricole, Parerba et tant d'autres. Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, le ministre Alimsar a réussi la stabilisation du marché et le maintien des prix des denrées de première nécessité pendant six ans et œuvré à la construction du marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs de Djamnyadjo. Ministre du Tourisme et des Transports aériens, dans ses départements respectifs, le ministre Alunsar a pu confirmer aux populations sénégalaises et au monde entier ses capacités managériales et son leadership avéré, car il a eu à manager ces deux départements avec hauteur, responsabilité et dignité dans un contexte très difficile de Covid-19. C'est pourquoi il a été de toute forme de reproche, il a été exempté de toute forme de reproche relativement à sa gestion par la Cour des comptes. Vu ce qui précède, nous déclarons solennellement notre engagement et notre soutien inébranlable à la candidature de Aline Sarr à la présidentielle de 2024, fait à Noto le 5 mars 2023.